webora donkey, yeah, yeah. na eh, na yeah matama iko webora dangi basi da tsoro webora dangi donkey. suno mata uta uta, kaman maza mata kaman maza webora donkey. La femme Webordanji est une créature sacrée, mesdames et messieurs, sur l'émission Tous à la Fada, l'artiste s'exprime. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, sur Tous à la Fada, l'artiste s'exprime. Hey. Tous à la FARA, votre émission Jeune ouvre régulièrement une fenêtre consacrée à l'art et à ceux qui le pratiquent. Aussi, pour vous, l'artiste s'exprime une rubrique en cinq questions pour cerner un invité. Ses œuvres, sa vision artistique, ses engagements socio-culturels et ses perspectives pour ce numéro de la rubrique L'artiste s'exprime sur Tout Salafada, l'artiste s'exprime, nous n'accueillons pas qu'un artiste, mais des artistes. Pas des moindres. Oui filles, oui artistes, oui régions, oui langues pour chanter ensemble des causes communes et qui nous concernent tous. Recevez les 10 ans de gentlemen, chers amis, auditeurs et auditrices du studio Kalangu chers amis téléspectateurs et téléspectatrices des télépartenaires du studio Kalangu, le collectif Soniger. Eh les filles, comment vous allez Je vous demande de vous faire un maximum de bruit. Alors vous êtes des Wobor Denji. Ok d'accord et merci bien évidemment pour euh, euh, donc cette chanson en début de cette rubrique et cette chanson qui nous a certainement émerveillés cette chanson qui aussi a émerveillé la jeunesse nigérienne connectée un peu partout à travers le Niger, à travers les huit régions. Vous êtes en tournée et nous vous avons sollicité sur cette émission pour qu'ensemble nous puissions parler non seulement de votre parcours, mais aussi de cette chanson qui fait feu. Alors dans un deuxième angle, nous allons parler de ce Niger, nous allons parler de cette chanson qui cartonne comme pas possible. Mais pour l'instant, les filles, je commencerai par toi parce que toi qui es à ma droite. Oui, je m'appelle euh, Achat Seydou. Je suis artiste chanteuse et membre du collectif So Niger. Je vous demande de faire le maximum de bruit pour cette dame, s'il vous plaît. Et à ma droite, je suis avec. Euh, et moi aussi, je me présente, Oussin Leila, okay. dite chocolatée, okay. membre du collectif So Niger membre du collectif Soniger, Chocolaté. Elle n'est plus à présenter, on l'a une fois reçue sur cette émission. Marie Diallo, ben, tu vas te présenter pour euh, donc ceux qui viennent de nous prendre en cours quand même, Marie. Exactement, tout à fait. Mhm. Je me présente au nom de Marie Diallo, artiste, danseuse et rappeuse du collectif Soniger. Waouh wow. Vous avez certainement constaté un peu de rap sur l'émission. ah, bien sûr. Elle rappe, elle rappe, elle rappe dans le sang. Elle est le plus obligée à présenter. Ok, d'accord. Elle est au sein de la chorale. Ok, d'accord. Universitaire. Ok, d'accord. la Mais Sakina, tu vas aussi placer un mot quand même. Tu vas dire un mot, tu vas te présenter à l'endroit donc euh, de cette jeunesse qui nous kiffe. Bien évidemment. Bonjour, euh, moi c'est Lawali Hassan Sakina. Ok. Vous me connaissez aussi. Voilà, tout simplement. Je suis membre du collectif Son Niger. Merci. Et eh, celle qui est là aussi avec moi, eh, je vous demande. Les filles, elles vont se présenter. Celle qui est aussi avec moi, eh, on l'a connue de la chanson, le beat. Hein? Eh, ok, d'accord. Elle va, elle va prendre son, passage sur le beat. Tu as le beat ou pas T'as pas le beat Non, je te mets le casque, je te mets le casque. Tu te mets le casque, je te mets le casque. Tu as le beat. C'est ton beat. Tu te rappelles du beat Tu te rappelles, tu peux me faire un peu ton passage pour te présenter à l'endroit de tout ce qui nous kiffe un peu partout wani mi bangonza ah, ah, ah. corona c'est da fundi kasi lokaci ga ka lokaci masu musafin ya kan barin yau da bagar malamai on mace lamba wai cinigwa ni mini ban fa ba ni ma alfi alaifa ba J'aime bien cette partie. ouais, bien sûr. Vous rappelez de cette fille, ok, d'accord. On a fait la promotion de cette chanson. Ouais, eh, tu vas te présenter, tu vas te présenter parce que voilà quoi. C'est quoi déjà ton nom Tu peux me dire ton nom Tu Moi, qui c'est Oumina. Oumina. Artiste chanteuse du membre, euh, du collectif Soniger Oumina, artiste chanteuse, membre du collectif Soniger ah super la meuf, elle est slameuse, ok, d'accord. Elle, eh elle cartonne comme pas possible, elle, va va se présenter. Elle aime tout, ce qui est gangster, elle aime ça. Est-ce qu'il y a des peuls hein? Est-ce qu'il y a des peuls Est-ce qu'il y a des peuls Est-ce qu'il y a des peuls Est-ce qu'il y a des peuls Est-ce qu'il y a des peuls Est-ce qu'il y a des peuls de la place Chacun va dire un truc là, bientôt la chanson. On va euh. revenir avec les différentes langues du Niger sur le deuxième angle, ok les meufs euh, Moi je suis Omar Heg Nouratou. Uh-huh. Appelez-moi Nourat. Nourat. Je suis artiste slameuse, Ok. Euh, membre du collectif Soniger aussi. Que je vous demande d'applaudir très très fort. Eh les filles, vous savez quoi J'ai juste envie de vous poser une question. Ok, une ah. question parce qu'on sait déjà que Soniger c'est un concept qui a pris. Alors les filles, Soniger, qu'est-ce que c'est concret un peu le contexte So Niger. So Niger. Oui. So qui veut dire d'abord Kauna. Kauna. L'amour du Niger. L'amour au sens large. L'amour au sens large. on aime le Niger. voilà. Ça a été créé récemment. Ok. Et qui est composé de huit filles. Huit filles. Huit filles actuellement sur ce plateau. Ok. Il n'y a que six filles, présentement, comme vous le constatez. Et les deux autres seront présentées par Zepé Kenyo Zepé L'animateur du collectif Elles eh, Ils ne sont pas que six, elles sont au nombre de huit. Et les deux seront présentées par Zepé Kenyo ça va, tout se passe bien là Oui, tranquille. Mais elles sont où les deux Dis-moi, elles sont où les deux eh Oui, vous l'avez compris, euh, il y a euh, un manquant. Il y a euh, deux filles qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Bien sûr. Alors, c'est dû à leur propication. si je peux le dire. Bien sûr, bien sûr. Elles sont occupées par un, un, boulot qu'elles ont. Elles font pas seulement de la musique. Bien sûr. Elles ont aussi un côté. Donc on peut dire en un mot empêché. Voilà. Voilà. Donc euh, elles, sont, empêchées, sur l'émission. Qui, qui, qui sont empêchés empêchées sur cette émission En tout cas, vous avez Philo la diva. Philo la diva. en tout cas. Philo la diva. Philo la diva. Tiro la diva. Ok. Eh, eh, et, euh, aussi Mint Abdou. Mint, tu vois, bien sûr. qui n'est pas avec nous. Mint, elle est artiste. Comédienne, danseuse, chanteuse. Bah oui, elle est dans bah, toutes sûr, sauces. On aura, ben, tout qu'on fait sa photo est en ah train de s'afficher. En tout cas, ce sûr, c'est une dans toutes les sauces. Bien sûr, de toutes, les, sauces. Ah, toutes les sauces. ne la pas dans ta sauce. Hein. ça. Alors, tu vas me parler un peu des objectifs en question, euh, bien évidemment, de son Niger. Les objectifs. Euh, oui, les objectifs c'est que veut viser la jeunesse nigérienne. Euh, on est en train de les viser aussi. Parce que tu n'es pas sur le savoir. Là, on est euh, au cours d'une caravane. Bien sûr. qui se déroule même à ce jour. Bien sûr. Euh, juste après ton émission, on va faire, vous allez faire le tour, des, voilà, des établissements. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour cette eh Merci donc de m'avoir émerveillé sur l'émission. Je peux reprendre ma place tranquillement. <laughs> Eh, on l'accompagne s'il vous plaît. Hey. À l'instant, c'est l'émission Wi-Fi 8 régions. Ben, le collectif Niger avec nous aujourd'hui. Donc vous avez Mint et Firo qui ne sont pas là. Alors est-ce que vous pouvez déjà en parler un peu de la caravane Vous avez visionné le Niger. On vous a croisé un peu partout. Alors vous avez fait quelle ville et quelle ville euh, d'abord, nous avons premièrement fait la région de, de Maradi. La région de Maradi. La région de avec des, des échanges avec des jeunes. Bien sûr. Des conférences, mhm. panels. Mhm. Mhm. Et on a fini avec un concert, un grand concert au CCFN de, de Maradi, l'Alliance française. Et c'était super. Merci à la population de Maradi. Merci pour l'accueil. Bombo clac. Bombo claque. Bombo claque. Bombo clac la région de Maradi, on vous dit merci. Merci, merci. Après, nous avons continué sur Zender. Zender, la ville de Mille et sur, Zender aussi, c'était des, panels, mhm. des conférences avec les jeunes à l'université de Zender. Et nous avons fini le, samedi passé avec un grand concert au CCFM de Zender. Mhm. Et là aussi, le public était chaleureux, le public était là, l'accueil était vraiment, c'était superbe. Alors, tu vas me parler un peu de la région ou des régions euh, que vous allez sillonner bientôt, Marie Diallo. Tu peux prendre tranquillement le micro. Nous sommes à une émission, c'est du freestyle, Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire en dehors donc de Niamey Dis-moi, Marie. À part Niami, là, on va aller visionner Agadez. Agadez Alors, est-ce qu'on peut avoir un message, un message très très fort à l'endroit de la population nigérienne, à l'endroit de la jeunesse, spécialement le collectif Est-ce que vous avez un message pour nous avec les cette émission Niger in ta ɓaci ma mu ne kenan gaba ɗaya mu haɗa kanmu domin a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da salama musamman mu matasa domin mu ne ake amfani da mu domin a raba tsakanin mu domin a kawo tashin hankali kenan mu yi unhwani da ilimin mu yi unhwani da hankalinmu duk wanda ya ci allah ne ya sa sai ya zama shugaba abu guda ne mu raka shi allah ya ba mu zama lafiya gode a gaishe ku ƴan mata zancen ku yayi C'était la machine et le collectif Soniger. On se prendra dans un instant ou ans. demain à partir de 17h45 pour l'émission Franco Germain. On se prendra demain 17h45 minutes sur nos radios partenaires pour le deuxième angle. Sur ce, hey. Bu bu klaka.